Nous remercions d'avoir accepté notre invitation. En effet, nous voulons vous entretenir sur un certain nombre de problèmes. Problèmes d'actualité, bien sûr. Le contexte est marqué par un bavardage interminable des plus hautes autorités de l'État. Une campagne électorale permanente alimentée par les tenants du pouvoir qui n'ont qu'un seul souci, un deuxième mandat hypothétique, pour ne pas dire impossible, vu les nombreux problèmes et difficultés que traversent les populations du pays. Problèmes dans le, monde, euh, dans, dans le secteur de la santé, à l'éducation nationale, dans le monde rural, à la justice, dans le monde du travail en général. Au lieu de s'engager à trouver des solutions à tous ces problèmes qui étranglent le peuple et bloquent la marche du pays, ils se mettent à masquer les nombreuses réalisations et les projets du président Ablaïwad et à chercher à l'effacer dans les registres de l'histoire. Peine perdue d'avance. L'exemple du professeur Cheikh Ante Diop est là. La traque des biens supposés mal acquis a été l'activité principale du régime de Macky Sall durant ses quatre premières années. La notion de mensonge d'État est née avec cette fameuse traque. Les mensonges d'État ont servi à envelopper la traque pour masquer leur tard, leur incompétence. Aujourd'hui, que la montagne a accouché d'une souris, de 4 000 milliards, on se retrouve à 0 milliard. Maki, pour sortir par la fenêtre, a choisi la voie de la grâce. Après plus de 3 ans d'emprisonnement arbitraire, de, séquestration, dirais-je, tous les moyens sont utilisés par Macky Sall pour se maintenir au pouvoir. Car les scandales sont nombreux, mais hélas, le pouvoir a un temps bien limité. Quel que soit le scénario utilisé, la réduction des comptes demeurera une obligation inéluctable. Parmi les nombreux scandales, je peux citer Petrotim, ArcelorMittal, l'affaire Lamine Diak, qui aura entaché la deuxième alternance et la rendre nulle. La perte de Dakar en 2009 et la défaite du PDS en 2012 ont été facilitées par l'argent sale en général et l'argent russe en particulier. Aucun leader politique au Sénégal, et moins encore un leader de l'opposition, n'a jamais déclaré être, déclaré être propriétaire de 35 voitures, sans compter les domaines fonciers, les maisons au Sénégal et dans le monde, les comptes bancaires, etc. Ceci est une illustration de l'argent obscur. Au lieu de naviguer dans le vide et dans l'imaginaire, la CREI ferait mieux de prendre le raccourci et de faire des investigations dans ce sens. Regardez un peu les membres du gouvernement, certains directeurs généraux, les conseils, les amis et parents du lion, qui, pour s'enrichir, au lieu de prendre l'escalier, ont tous pris l'ascenseur. Ceux-là qui auront la tâche de faire la réduction, des comptes auront du pain sur la planche. Ce n'est pas par hasard qu'on voit des guichets de distribution partout. Moustapha Diop qui distribue des financements dans tout le territoire national financement bien orienté. Maïmona Sar, chargé de la solidarité à Père Beno Bokoyakar et bourse familiale. Nyan, qui aurait un nouveau budget destiné à déstabiliser l'opposition en passant par sa jeunesse. Le ministre de l'Intérieur qui aurait décidé de faire de son ministère un laboratoire d'études, d'analyse et de suivi de l'évolution de l'opposition, ses points forts et ses points faibles, certains directeurs généraux notamment celui du port autonome de Dakar et celui de la Poste. Ne nous attendons pas à une clarification de ces nébuleuses par Macky Sall. Le limogeage de la grande dame Nafingom Keita et la suspension de l'inspecteur des impôts, M. Sonko, en sont éloquents. Tout cela pour se maintenir. Mais encore, je le répète, le pouvoir a un temps, un temps bien limité. Même le mensonge est érigé en système de gouvernance. Le jeune maire de Mon Sacré-Cœur, membre de Benno a déclaré il y a quelques jours que les 1800 milliards promis par le responsable de la paire Macky Sall à Dakar et banlieue ne sont rien d'autre qu'un mensonge d'État. Rappelez-vous de tout le tintamarre qu'il y a eu autour de l'arrestation et du procès de Karim Sewad, seulement des mensonges montés de toutes pièces et soutenus par une certaine presse qui a préféré s'accommoder aux manipulations du régime de la paire. Mesdames et messieurs, devant un tel pouvoir qui est totalement en perte de vitesse, qui est au summum de l'inquiétude et de la peur de ces lendemains, et qui croit que la seule solution est de s'accrocher au pouvoir en falsifiant les règles du jeu, en cherchant à déstabiliser et à casser l'opposition. Devant ce pouvoir-là, n'est-il pas une obligation pour nous, militants du PDS, de renforcer notre unité et de réfléchir sur une stratégie d'organisation, d'action, de réaction et de riposte au lieu de se mettre à faire des calculs politiciens de positionnement pour les élections législatives à venir. Nous avons participé à toutes les élections depuis 40 ans. Nous savons ce que suscite chaque élection, mais il n'y a pas que cela. Un pouvoir affolé à ce degré cherche toujours des troupes à l'intérieur des partis comme le PDS, qui sont les sentinelles et les derniers remparts de la démocratie. Ces troupes Créés par le pouvoir pour semer la confusion dans les partis d'opposition qui inquiètent le pouvoir, ces tops ont toujours des moyens financiers et matériels énormes et obscurs. Tout le monde s'interroge sur leurs moyens et eux sont prompts à donner des explications sur l'origine de leurs ressources, sans même qu'on le leur demande. Ils te diront qu'ils sont membres de conseil d'administration d'une société fictive qui a un capital de plusieurs milliards qu'ils ont des partenaires à travers le monde qui les financent, etc. Nous qui avons vécu toutes les situations du PDS depuis sa création, nous ne pouvons pas être emportés par ces agissements. Avec le pouvoir qui cherche à saper l'unité du PDS, nous leur faisons savoir, car ils ne connaissent, ils ne connaissent rien de l'histoire du PDS, que nous avons défendu notre parti dans des conditions et dans des moments beaucoup plus compliqués et que nous restons dans la même logique de sentinelle éternelle du PDS. Nous avons un souci, un objectif, un engagement, une seule détermination, gagner avec large majorité les élections législatives. Cela nous permettra de mettre suffisamment en sécurité notre candidat M. Karim aux élections présidentielles de 2019. C'est pourquoi nous nous ouvrons à tous ceux qui font de cette candidature une priorité et nous prenons l'unité et l'élargissement tout en demeurant vigilant. Thiès a le devoir d'être au peloton de tête de cette bataille pour la victoire de 2019. Nous ne pouvons occuper cette place que si nous sommes unis et organisés. Thiès n'acceptera pas de décevoir le secrétaire général national, Maître Abdoulaye et le candidat du parti, Karim Messewad. Alors transcendons nos petites personnes pour retrouver l'unité au profit du parti. Je vous remercie et reste à votre disposition waaw ndaje mi euh, euh, boo gisee déjà liñ ci njëkk dalal suñu xel mooy mbooloo mu takku mi nga xam ne ñëw nañu teew beneen bi dañoo dajale militants yi parce que suñu parti dafa soxla ñu sécuriser ko dafa soxla ñu protéger ko li ñuy bañ mooy li nga xam ni moo xew ni di continuer c'est que euh, liñu taxawal la fédération urbaine de Thiès Thiès fédération urbaine y a les secteurs il y a les sous-sections il y a les sections il y a la fédération départementale Il y a 15 communes dans le département de Thiès qui composent. donc si vous avez ni euh, man le secrétaire général fédération urbaine de Thiès décrété ko sa fal ko sa bop responsable yi nga xam nga mëno fal Thiès te nday bokku ci te sa bokku ci le responsable des anciens si Sidi Ahmed Mbaye Pam Moussé Diop et tous les autres responsables yi nga xam ngi PDS dama taxawal lo taxawal parti bi te ñom ci ba taxawal direction parti bi déjà amul mais aussi direction parti bi de ko direction parti bi da ko donc ñun suñu rôle Moi ñu woowaat les responsables du parti ba pare wax opinion publique euh, locale nationale et internationale bi que lii Massaly di wax naan mom moy secrétaire général fédération urbaine bu Thiès amul musul am. kon fédération urbaine bokul ci instances. instance. d'instances. ci instance ou PDS secteur sous-secteur sous-section section fédération départementale bi nga calqué sur la circonscription électorale de Thiès C'est ce am a. ko Je nag mu que euh, euh, le secteur général fédération urbaine de Thiès a ko doxal informer militants informer responsables informer population que lolu amul du dara lu usurpation lolu moy suñu motax ñu indi responsable responsables sont les sentinelles sentinelle PDS nous sommes les protecteurs du parti les défenseurs du parti nous ñu toute la presse responsable yooyu wax ni amul parti bi Le ko secrétaire général national muy le président Wade nanguwu ko secrétaire général adjoint muy le coordonnateur Omar Sarr nanguwu le candidat du PDS à la présidentielle de 2019 muy le frère Karim Moïse Wad nanguwu ko te d'accordu ci li ñuy woote daal mooy unité àndandoo téyandoo daanelandoo jàppandoo dóorandoo gañeendoo élection législative indi Macky Sall cohabitation dem élection présidentielle suñu candidat muy le frère Karim Meïssa Wade gañe ko le rêve des yi ñu amoon te Wade concrétiser ko Karim wad ñëw li ci manqué won mu mettre ko en œuvre terminer ko lolou moy suñu cër. ñuy japp ci euh, patron communal bu PDS kan lañuy japp non euh, en réalité il y a un collège de responsables à Thiès ay responsables ñoo dajalo de façon responsable xamni dañoo wara doxal parti bi ñu koy doxal di dem dans les communes di ko liggéey ba keroog parti bi ne kii laa fi teg wala dajaloo leen yéen ñëpp de façon unanime de façon unitaire ngeen ni diw mii moo ñu jiite ñun ci lool lañ ne exclure ñu kenn nak c'est que suñu différence ak ñeneen ñi moy ñom dañuy def di exclure ñun duñu def ta yëgaluñ leen duñu def ta ñom bokkuñu dañ leen di bolé ci biir parce que ci lañu ñu bokk lenn rek lañu d'accordul moy que ñoo nekk dans un parti d'opposition ngay génne des sommes aussi faramineuses yu kenn xamul fu mu jóge te nit ñi di wax naan le ministre de la jeunesse Mame Mbaye ak le ministre de l'intérieur ñoom la Macky Sall chargé ñuy déstabiliser les partis politiques suñu ñu gisee kenn dans notre parti di génne moyen yooyu di ko ci def ku mel ni Massaly dama koy cité dañuy jàpp ni li ci ëpp foofu la jóge te parti Abdoulaye kenn mënu ko déstabiliser kenn mënu ko yàq de l'intérieur parce que dañu la jox xaalis pour nga jënd nit ñi ku koy def da ngay sonal sa bop lu Senghor réussirul Abdou Diouf réussirou ko Macky Sall réussirou ko ñom Fada ñi génn PDS réussirou ñuko amul kenn ko xamni da ngay nekk ci biir PDS te mën ko réussir la preuve moy dañu woote tay ñi nga xamni ñoy les véritables icônes les responsables du PDS ñoo fi teew tey nday ami dioum boko tege tek may se dien tek magge djouf pam moussa djop ñun ñi sax buñu ñewul ñoñu rek doyna pour ñu wax ni liñu ñu fi taxawaloon ta ta tey ñoom ñëpp toog te tooguñu pour par parlo dañoo tok pour wo ñeneen ñi ne leen ñew leen ñu and taxawal lo xamni parti bi mëna ci am ndam waye ñun ak ñom moy se il les protecteurs du PDS dans la ville et dans le département de Thiès ça il faut que ce soit clair